وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر عليك بعوزتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé encore une fois la chance d'être parmi les vivants et nous accorder la meilleure religion qui est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a promis une meilleure destination aux pieux et qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et après sa chère nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droite jusqu'au jour dernier. Et après sa chère en d'Islam, présente Dieu. Nous sommes toujours dans l'interprétation du Saint-Coran, dans la sourate que nous appelons sourate Al-An'am, le bestiau. Aujourd'hui, en disant hier, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait Kul, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire aux mécréants là La akulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu ghaib. dis Dis-le que je ne détiens pas le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala je ne détiens pas le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne vous dis pas que je, je connais l'occulte. Je ne connais pas ce qui est caché, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché. Lui seul connaît ce qui est caché. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de nous parler dans le Saint-Coran où il disait que si je connaissais ce qui est caché, j'allais entasser tout ce qui est bien sur moi et aucun mal ne va m'arriver. Je devrais entasser tous les biens sur moi et aucun mal ne m'arrivera. Voilà Et je ne vous ai jamais dit que je suis un ange. Pourquoi ce verset aussi Parce qu'ils ont demandé, quel est ce prophète-là ta'am wa yamshi aswak. Quel est ce prophète-là qui mange de la nourriture et qui va dans des marchés et Allah subhanahu wa ta'ala de dit que je ne suis pas un ange. L'ange ne mange pas, il ne boit pas. Il n'a pas le désir charnel. Il ne tombe pas malade. Il ne se fatigue pas. Il n'urine pas. Il ne chie pas. Il n'a pas de besoins comme nous les hommes. Nous mangeons, nous bouvons. Il faut travailler pour manger. Et le prophète alayhi nous savons, au départ, il était quoi Éleveur, ensuite commerçant. Et chaque prophète est venu avec un travail à la main. Il n'y a aucun prophète qui est venu croiser les bras que les gens n'ont qu'à nourrir. Qu'Allah subhanahu wa nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé. Cool. toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut les interroger. Hal yastawil a'ma wal basir, l'aveugle et le voyant. Peut-on les comparer les uns aux autres Non. L'aveugle est différent de, du voyant. Ici, l'aveugle, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de l'aveugle qui, ici, de l'ignorant, celui qui ne connaît pas. Et celui qui voit, c'est qui C'est celui qui, qui, connaît, celui qui apprend. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de quitter l'obscurité pour la lumière. On abandonne l'aveugle pour devenir maintenant des voyants. Allah demande, on peut les comparer, ils sont les mêmes, celui qui ne voit pas et celui qui voit, non, jamais ils ne peuvent pas être les mêmes. Afala Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, ne réfléchissez-vous donc pas tout ce que Allah subhanahu dit et vous rappelle là, ça ne vous donne pas une réflexion, réfléchir un peu sur la question. Aïwa. Aujourd'hui, Nous allons démarrer sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وأنذر به الذين يخافون إن شاء الله c'est sur ce verset que nous allons démarrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous tous. ceci l'alarme, c'est-à-dire appel. mais en garde et rappelle à tout un chacun. به الذين أن إلى ربهم par ceci donne l'alarme à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala d'être rassemblé devant le Seigneur. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala croient en lui, ils font bonne œuvre, ils croient à, à la vie après la mort, ils croient au jugement dernier, ils croient au paradis et à l'enfer à ceux-là qui ne croient pas, est-ce qu'ils ont une vision sur la question Ils font un effort pour éviter Non. Donc, averti à ceux-là qui croient et à ceux-là qui ne croient pas, qui n'ont qu'à faire attention à ce qui les attend à un grand jour. Il dit wali wala shafi. Quand ils seront réunis devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas al-wali, un protecteur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va les protéger ce jour-là Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah in awliya Allah humul Attends, dans, une, dans un autre euh, euh, verset, il dit La khafun alayhim wa lahum yazanuna. Les alliés de Dieu ils n'ont aucune crainte au jour de la rétribution. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala serait pour, eux. Maintenant, ceux-là qui ont mécru en ce jour, les salahum min dunillah, en dehors d'Allah, ils n'auront pas de protecteur, wala shafi, ni de l'intercesseur. Intercéder à leur faveur, qui En dehors d'Allah. pour les croyants, ils sont rassurés que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour eux. Il va les protéger par sa miséricorde. Il va intercéder à leur faveur. Mais quant à ceux qui ont mécru, qui va venir intercéder à leur faveur Qui va les protéger ce jour-là quand Allah subhanahu wa ta'ala va les saisir pour amener au feu de l'enfer, que le Tout-Puissant nous éloigne du feu de l'enfer. la Allahum yattaqun. Quand il va toujours les rappeler, parce que depuis le départ, il dit de lancer l'alarme pour les rappeler de ça. la la yattaqun. Par ça, ils vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils chercheront la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et corriger leur allure. Sur le verset dont nous allons démarrer tout à l'heure, à ce que nous appelons à sabab nuzul. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Abdullah ibn Mas'ud, anhu, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa Et lors de la bataille, celui qui avait tué Abu Jahal, et c'est le lecteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Masoud, quand vous rentrez dans son palmarès, vous cherchez son histoire, vous allez comprendre que c'est un homme de, petites formes. Il n'a pas une grosse forme. C'est les vêtements qui le couvrent pour le rendre quelqu'un comme il est gros. C'est pourquoi un jour, quand il était dans l'arbre, le vent a soulevé son boubou comme ça. En regardant ses, ses pieds, ses pieds c'était petit, petit comme ça. Les compagnons, ça leur a donné un peu de rire. Le vous riez quoi Les pieds d'Abdullah ibn Masoud ce que vous voyez, ces petits petits comme ça là. Au jour de la rétribution, quand on prend un pied seulement d'Abdullah ibn Masoud on met dans un plateau du balance et qu'on prend toutes les montagnes dans le monde entier pour mettre dans de l'autre côté du plateau de la balance, ça ne peut pas soulever le pied d'Abdullah ibn Masoud c'était lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'il lise le Coran. Abdullah bin Masoud, lis-moi le Coran. Il dit comment je vais, te, je vais lire le Coran pour toi alors que c'est toi, sur toi que ça descend. C'est toi qui nous lisais ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que je vais écouter aujourd'hui la lecture du Coran de la bouche d'une autre personne. Il a lu le Coran jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé les larmes. Abdullah ibn Masoud. Au début de l'avènement de l'islam, celui qui est sorti au milieu pour réciter le Coran, Abu et le consort, on l'a frappé jusqu'à évanouir. Il s'était évanoui parce qu'il récitait le Coran. Et ce jour-là, la sourate qu'il avait lue, pour elle, c'est la sourate Ar-Rahman, la miséricorde. Il a commencé par réciter le Coran haute voix. Zouama Quraysh, les grands grand là, Boudjane, tout, tout, tout, il était là. C'est quoi ça Hey, hey, hey, arrêtez ça, arrêtez ça. Avec son bâton à Boudjane, il est venu, il a commencé par taper avec le pied, tout, on tapait. Parce qu'il récitait le Coran. C'est ça aujourd'hui, nous nous sommes en train de lire en paix. Eh, souvent, on se pose la question que cela et puis nous là. On peut se comparer. Oui. Alhamdulillah, le de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut arriver, on peut atteindre leur degré, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa nous donne cette chance-là. Et le prophète sallallahu nous dit que celui qui veut lire le Coran convenablement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre, n'a qu'à lire comme Abdullah ibn Mas'ud. C'est lui qui nous dit que les grands, les têtes de la Mecque passaient un jour à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le compagnon qu'on appelle Suhaib ou Habab, celui qu'on appelle Habab et Bilal. Bilal et Ammar. Ammar, c'est des gens que ils ont trouvé à côté du professeur sallallahu alayhi wa assis autour, du professeur alayhi wa Et d'autres compagnons qu'on n'a pas cités. Et les les, les gens là, les mécréants là, ils ont dit au prophète, Ya Muhammad, ô oh, messager d'Allah, et Muhammad, toi Muhammad, si tu veux accepter ceux-là qui sont autour de toi là, il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est des gens minables, des esclaves. Ils n'ont rien. Il faut les chasser autour de toi. Comme ça, nous, on peut t'approcher, rester avec toi. Si après notre départ, ils veulent, venir revenir s'asseoir. Dans une autre version, il disaient que ils ne veulent pas que qu'on dise que c'est les bilans comme ça qui sont leurs devancés. Donc si nous on va venir s'asseoir après eux, Là, d'accord. Et dans cette version, nous disait que le prophète Mohammed l'avait accepté. Pourquoi il avait accepté Tout simplement, c'est les tête ça. Si ceux-là acceptent de me suivre, donc le reste de la Mecque, c'est facile pour eux de me suivre. Il n'a pas fait ça parce que ceux-là sont des pauvres et des esclaves. Non. Tout simplement, se convertissent, lui suivent, et ça va être facile pour lui. Comme ça, si cela, ils ont accepté, qu'est-ce qui reste C'est ce qu'il voulait. Et le prophète Allah a demandé à ce qu'on amène une feuille et un bic. Parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé ça sur écrit, blanc, noir, signé. C'est un contrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait acceptés. Il a pris la feuille et le bic. Au moment où il veut commencer par écrire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel qui lui dit que Dieu l'a dit, tu n'es pas renvoyé. Ceux-là qui sont autour de lui, dans la dévotion matin et soir à la recherche du visage ou bien de la face de ton Créateur. En même temps, quand le verset est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté le bic loin, la feuille loin. Et il dit que, quelles qu'en soient les circonstances, je serai avec cela. C'est la raison pour laquelle Allah a fait la révélation de ce verset. الله سبحانه وتعالى ديو بروفات محمد صلى الله عليه وسلم لا تضر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي لا تضر هؤلاء المؤمنون أي مؤمنين الضعفاء من مجالسك يا محمد تو محمد صلى الله عليه وسلم تينا با دروا رانفوي ne les renvoie pas ceux-là qui pauvres, esclaves qu'on sort, à ta place, autour de toi, ne les renvoie pas. Pour laisser la place à ceux-là. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit ça. Ceux-là qui, matin et soir, sont dans la dévotion, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de la face de Dieu. Allah dit quoi Ma alika min isabihim min shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma alika Tu n'as pas pour leur compte ce qui concerne leur compte ne t'incombe à rien. Ce qui est de leur compte ne t'incombe à rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'affliger sur leur compte. Et te demande leur compte ne leur incombe à rien. Ceux-là qui sont autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils demandent là, qui n'a pas droit à le faire, ils n'ont pas n'ont aucun compte pour ça. inna eh, hein? illa ala rabbi. Ce qui concerne le compte de ces gens-là, ça se trouve dans les mains de Dieu. C'est comme ça aussi, toi aussi ton compte sur eux ne les incombe à rien. De la manière dont le compte de cela ne les incombe à rien, c'est comme ça aussi, Cela aussi, leur toi aussi, ton compte ne les incombe à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là seulement pour faire le compte de tous fatakuna min Si tu les renvoies, tu seras du nombre des injustes. Toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait injuste. Les premiers sont les premiers. Les derniers sont les derniers. Et à ce niveau, on attire notre attention sur une question la question concernant nous qui sommes les responsables un peu partout. Quand nous avons quelqu'un de riche ou bien de meilleur que l'autre qui était avec nous, nous l'abandonnons pour l'autre. Avant-hier, j'étais avec notre Oussaz sur cette question-là dans un clinique, il y avait une jeune fille stagiaire. Elle faisait ce travail-là au moins pour gagner un peu d'argent pour pouvoir poursuivre ses études. Il y avait la connaissance. Elle était intelligente mais c'est le moyen qui manquait pour poursuivre ses études. Donc elle s'est mise ici, au moins elle va faire un peu, un peu pour que ça puisse aller en avant. Un jour, elle est en train de s'occuper des patients quand un monsieur est arrivé. Et le monsieur, c'était aussi quelqu'un qui contribuait quelque chose pour l'hôpital là. Mais la, fille en question ne savait rien de la chose. Donc quand il est arrivé, il disait qu'il a problème d'une dent. C'est là la jeune fille dit que, monsieur, quand il est arrivé, il forçait la, la fille de laisser les autres pour s'occuper d'elle. La fille disait non, je ne peux pas abandonner les autres. là-dedans c'est autre chose. Par rapport aux autres cas, je vois que là-bas, c'est très dur que, à ton niveau. C'est là, il s'est énervé. il est allé voir le responsable. On a chassé la fille stagiaire de l'hôpital. Et il a pousser de, tous, de tous ses moyens pour qu'elle ne, gagne, qu'elle ne soit pas comment recrutée à quelque part. Elle est restée désespérée, ne trouvant plus des moyens. Elle a décidé d'aller être servante dans un bar. Avec ces potentialités-là, elle va aller servir dans un bar. Elle est allée dans un bar un an deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Dans la cinquième année, elle était dans son bar. L'homme en question est arrivé un jour dans ce bar-là avec euh, sa femme. Une belle fille, une belle femme avec lui. Mais la femme, le moyen, c'est-à-dire la femme avait l'autorité sur lui. Donc pour un oui ou bien un non, ça a causé problème dans ce restaurant-là. Et va, voir, l'homme, il aimait éperdument la femme. Il s'est agenouillé pour demander pardon à la femme en question. Donc après tout, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la tâche. Ils se sont arrangés. Donc ils ont commencé par manger et boire. La servante, elle venait, elle a reconnu l'homme, mais l'homme ne l'a pas reconnu. Après l'avoir mangé et faire tout, il disait qu'il veulent un peu... Ils sont levés en train de danser. Sa femme en question a, a piqué une crise. Elle est tombée. La jeune servante, donc comme elle était spécialisée dans le domaine, de suite, elle s'est jetée au travail. Les premiers soins qu'il faut, elle a commencé par faire pour refaire remonter la dame avant que l'ambulance soit arrivée pour évacuer la femme à l'hôpital. Après guérison et tout, l'homme est revenu vers la femme, et la fille, la servante, dans ce restaurant, dans l'intention de remercier la jeune fille. Il dit qu'elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut pour que lui puisse la récompenser. La fille disait à l'homme que ce que tu voulais me faire, tu pouvais me faire, c'est déjà raté il la regardé il ne comprend pas. Vous m'avez reconnu C'est moi vous avez renvoyé une fois quand vous étiez venu pour votre dans, la, dans tel hôpital. Et vous vous êtes arrangé à ce que je ne trouve rien dans, ce, dans, cette ville ou bien dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me faire pour me satisfaire après avoir perdu les cinq ans servante dans un bar. si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que il y a beaucoup de leçons là-bas dedans. Il y a d'aucuns qui, qui accusé la, la fille, la servante, pourquoi elle a réagi de cette façon. Elle n'a pas le droit de réagir de cette façon, quelles qu'en soient les circonstances. Et on vous pose la question, c'est que l'homme lui l'a fait là, est-ce que c'est bon Lui aussi, comment lui a réagi envers la servante là, au départ c'était bien. Ici, la leçon, c'est pour nous dire que qui que vous soyez, voilà, vous avez toujours besoin de l'autre aussi, du plus petit qu'il soit. On a, on a, toujours besoin les uns des autres. C'est ceci, c'est la loi de la vie jusqu'à la fin du monde. Si vous comptez sur votre pouvoir ou bien votre richesse, Allah subhanahu wa ta'ala fera que un jour vous allez tomber sur une situation que l'argent, le pouvoir et tout ne peut rien. C'est le cas ici. Ça, vous voulez que je ramène 40 euh, ans hein, c'est pas 40 jours. Donc on ne peut pas pardonner. 40 <laughs> ans, ce n'est pas 40 jours. 40 jours, ce n'est pas 40 heures. Tort. 40 heures, ce n'est pas 40 minutes. Un jeune de 35 ans était sorti un jour avec son vélo, voulant traverser une route. Il y avait le chef. En ce moment-là, le chef était honoré. Quand le chef passe, personne ne passe pas vu le chef venu. Il a traversé en même temps. En même temps, le chef a montré le doigt. Et vous connaissez ce qui se passe. Quand on montre du doigt quelqu'un, on l'a pris, on a allait jeter. Il est caché là-bas. Un, deux ans, trois ans, quatre ans, quarante ans. Il avait 35 ans, plus 40. Ça fait 75. 40 ans en prison. Lui aussi, le roi Dieu l'a donné une longue vie. Un jour, tout change. La méchanceté, là, tout ça, là, ça commence par diminuer. Il a décidé, euh, quand on grandit, tout change. Il a décidé d'aller rendre visite aux gens de la prison. Il est arrivé, tout le monde venait saluer le roi. Tous les prisonniers venaient saluer le roi. Il y avait quelqu'un qui avait les cheveux blancs, il était assis. Il n'est pas venu saluer le roi. Et le roi même demande, toi tu ne viens pas me saluer Il n'a même pas répondu un mot. Il est assis. C'est là les gardes du corps sont allés soulever par force l'homme là. Allez, va saluer le chef, le roi. Le roi lui demande, je t'ai fait quoi, tu ne vas pas me saluer Il lui dit que ce que tu m'as fait là, c'est au jour de la résurrection, tu vas savoir. Le jour de la résurrection, tu vas savoir. Le chef, lui-même, il est retourné en lui-même. Au moment où les gardes du corps veulent forcer, dire, hey, mes amis, attendez, là où c'est arrivé là, ce n'est plus. Maintenant, ça reste entre moi et lui. J'étais fait quoi Il a dit que ce que je t'ai dit, tu n'as pas compris. Il dit que c'est le jour de Kiyama, tu vas savoir ce que tu m'as fait. Le chef est sorti. Il est allé voir les théologiens, les malamés qu'on sort, parce que c'est un musulman il a, expliqué aux, théologiens, il y a un prisonnier que je ne comprends rien. les autres sont venus, ils ont prêché. Prendre Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander pardon pour qu'il dise ce qui s'est passé. Il disait que j'avais 35 ans quand il m'a mis ici. Pour simple erreur, j'ai traversé quand il venait. Je ne savais pas. C'est là le roi s'est levé et dit que pardonne-moi. Et tout ce que tu veux, je vais te donner. Si vous étiez à sa place, vous allez pardonner. <laughs> oui. Ça, doit, ça doit pardonner. Selon vous, parce que vous êtes oustaz, parce que vous êtes oustaz. <laughs> Youssef, tu vas pardonner Hein 40 ans, c'est pas 40 jours, hein? Non. Ah oui. On dit, avant pardon, il faut reconnaître. Il faudrait que le chef lui-même reconnaît. Il nous faut avouer et à moitié, pardonner. Non, on peut pardonner. On peut oublier. <laughs> on peut on ne peut jamais oublier. <laughs> Et ça, il a dit, et je vais te donner tout. Ce que, dans tout ce que moi je veux là, c'est ma jeunesse. il va lui donner tout ce qu'il veut. Même moi comme ça là, c'est ma jeunesse que je veux. ça ne veut pas, ça ne pas donner tout, mais ne pas Non, je vais, je vais faire le fond pour arranger ça. não, avisa, não, avisa, não, Karuna. <laughs> non, Karuna, lui, comme lui va en même temps dans le feu, là, ça n'a qu'accompagner. Mais celui-ci, il est musulman. Mais Allah. Il n'a pas de dossier. Il n'a pas de Lui, c'est déjà tapé, déposé. Mais celui-là, il s'est converti. Oui. Eh, eh, il s'est converti.

nous assiste. À la fin de cette histoire, l'homme en question disait que lui, pendant 40 ans en prison, lui, il s'est habitué à la vie dans la prison. Même si lui sort, ne peut pas. Donc lui, il va pardonner, mais il ne sort pas. Il va rester là-bas. C'est là-bas lui va terminer ses jours. Mes frères, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit le pouvoir que Dieu vous a donné, il faut beaucoup faire attention il faut faire beaucoup attention. Parce que tout saoule sur la terre. La richesse saoule, la pauvreté saoule, le pouvoir saoule. Prie seulement Dieu que Dieu tout-puissant tête, la boisson même. tous ces dangers cités là, ça saoule plus que la boisson. Ça te fait faire des choses que toi-même, si après, à quel reposant, te dit tu as fait ça, tu ne peux pas croire. Donc il faut faire attention il faut pardonner. Il a pardonné. Il va terminer ses jours. À celui-là que c'est arrivé aussi, nous pouvons lui donner courage en lui donnant conseil, soit disant que Dieu sait pourquoi il a laissé les 40 ans, il a passé en prison. Parce qu'il pouvait être libre et ce qui va lui survenir durant les 40 ans, ce ne serait pas bon. Ou bien hein? Vous avez dit que c'est C'est Dieu seul qui sait. l'aille. Je vais vous donner l'histoire de euh, prophète Non, non. Le prophète Yusuf. Les savants disent ce qui a la préparation. afa wele ah, hen bujara tɔnu kɛ e tɛ fulɔni amina ah, ah, nasɔ ala ah, mala fɛn na ne kana man tɛ ma ka ko salfa naam let's start

mais par euh, ans. Peut-être même, s'il n'était pas dans le prison, quelque, chose là, déjà à l'arrivée, on mourrait. Non. C'est pourquoi malade ici, Dieu t'a donné aussi la sagesse contraire. Ça veut quoi Il faut savoir comment diriger. ça.

qui va égarer. Bon. Qui va... Mais c'est la qui les égarer. Les égarer. Les égarer. Bon, en ce moment-là, les parents-là, est-ce que. Ils seront d'accord. Ils seront d'accord avec ce qu'on avait fait, ce s'est passé avec lui. Non. Mais pourtant, c'est leur on ne peut pas échapper. Pourquoi là, si je vous dis que j'ai une fois fait gendarmerie, vous allez la sauter. Non. Moi, j'ai ça trois jours à la gendarmerie. <laughs> trois jours. J'ai pas volé. Voilà, je n'ai pas volé. Je ne connais pas l'affaire même. Sans <laughs> Je ne sais pas de l'affaire. J'étais là quand on est venu m'attraper comme ça. それで。 de dire, c'est sérieux. Ben, souvent, tu fais sortir ta moto. Je dis, tu, sais, tu fais sortir ta moto, tu es pressé. Tu tapes, ça ne prend pas. Tu vas tout faire, la moto ne démarre pas. Ah Gronder, faire tout jusqu'à même abandonner la moto, prendre le chemin, tu croyant que là où je vais, je serai en retard. Tu vas aller, peut-être prendre Z, arriver là-bas en retard retour maintenant, qui vient avant avec pied, tu as fait, ça n'a pas marché. Tu as fait avec bouton, ça va marcher Tu n'as rien touché. Tu viens, tu démarres, la moto démarre. Donc tu penses que tout ça là que Dieu a fait, c'est gratuit quoi. Allah soit notre, Notre frère mécanicien Jalil, à côté de lui, il y avait un jeune garçon qui arrivait il tremblait comme ça, que sa moto gêne. Lui, il a tout fait. Il dit que la moto n'a pas de problème. On démarre, la moto ne démarre pas. Après tout, il dit que c'est la bougie. Il dit qu'aujourd'hui, il n'a pas l'argent. C'est 600 seulement dans sa poche. Un homme de famille, 600 dans la poche, je vais prendre 500, j'étais bougie. 100 francs pour la maison. Oh, ça, autre ça ne veut pas. Et lui dit que moi, je n'ai pas une ancienne, bougie pour te donner. Il te faut une nouvelle bougie. Oh, toi, mécanicien là, il enlève les 500, il donne au mécanicien, lui il envoie l'enfant, j'ai amené la bougie. On gratte, on met, on démarre sa moto, démarre. Il dit que bon, tu as fait le travail, je ne peux pas te laisser gratuitement comme ça. Il enlève le 100 francs restant, il dit Dieu va donner. Il donne, il prend la moto. carrefour Carnaval sous Titan, bon. Le mécanicien en train de travailler, il entend ping-pong, ping c'est l'ambulance qui part comme ça. Après tout, on dit, garçon qui a quitté chez toi tout à l'heure là, c'est lui on amène comme ça, il mort voilà, regardez, quand le, Dieu nous retarde sur ça, quand dit, laisse, je vais terminer pour les autres avant de faire pour toi. Il dit que non, lui, il est pressé. <laughs> hein Le rendez-vous. Voilà. pour toi, le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala peut te destiner un, un, temps comme ça. Mais pour te sauver, peut-être avec l'aumône ou bien la charité que tu as fait le matin, Allah subhanahu wa ta'ala peut les avec une autre chose facilement. Donc le vieux, ce n'est pas un argument. Quand Dieu l'a mis en prison, Dieu sait pourquoi il l'a posé là-bas. Comme ça, nous donne l'histoire de prophète Youssef. Ben un, c'est quelqu'un qui a donné la beauté. S'il est libre, la femme du roi s'est séduite à cause de lui. Écoutez, vous ne voyez pourquoi lui même il a préféré la prison. Il est sorti. La femme du roi l'a séduit. Dieu l'a sauvé, il, s'est échappé. Maintenant, les femmes dans, la ville, tout le monde se moquait. Comment tu vas coucher avec l'enfant que toi-même tu as élevé Elle a entendu, il dit que bon d'accord, il n'y a pas de problème. On va voir ça. La femme du roi est roi. Elle est, reine. Elle a appelé tout le monde, toutes les femmes du village. Toutes les femmes en Égypte, toutes les femmes sont arrivées. Elle a cherché couteau. Et puis, euh, comment Gombo, elle a donné un gombo. Il dit chacun n'a qu'à couper gombo là. Puis couper. Elles ont commencé par couper. Il dit Youssef sort. Le prophète Youssef sort marcher devant elle. Les femmes ont fini de couper Gombo. La beauté de Youssef les a pris. elles même disaient que non, ça là, c'est pas un homme, c'est un ange. Ils ont coupé Gombo fini. Elles, elles coupaient leurs doigts comme ça. Sans sentir que c'est leurs doigts, elles coupaient. Quand lui, il est parti, fini, elle demande vous, avez quoi au doigt Hein Ce que vous allez dire à vos maris là, cherchez ça pour aller dire à vos maris. Aujourd'hui seulement, quelques minutes, vous l'avez vu et vous, êtes, vous vous êtes coupé les doigts. Moi qui étais avec lui Jour et nuit. Vous voulez que moi je vais dire quoi Tout ça là, ça fait partie des examens de Dieu sur le prophète Youssef. Il a préféré quoi Dieu. Je, je préfère la prison que de rester dans ces tentations. Donc tout ce que Allah subhanahu wa fait, c'est bon Ou ce n'est pas bon Non, c'est bon. Non, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. C'est nous qui mettons la distinction que ça là c'est mauvais, ça là c'est bon. Hein. Sinon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, c'est meilleur. Voilà, meilleur. Tout ce que Dieu fait, c'est meilleur pour nous. Sinon, Dieu ne, ne, ne, nous fait pas quelque chose. Mais quand tu fais du mal, Allah subhanahu wa ta'ala te saisit par une maladie ou bien quelque chose. C'est pour te ramener à la raison. Hein. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand il aime son serviteur, Iza Allahu al-abdu ibtalahu. Quand Dieu t'aime, il te met à l'épreuve tu as fait des péchés, les péchés là, il faut que la maladie va venir pour que ce péché là soit effacé. Il amène maladie. Mais nous, nous voyons que maladie là, c'est mauvais. Quiconque tombe malade avant de mourir, quand nous allons pour saluer la personne, on dit que, que Dieu le fasse, que ça soit kafara. Qu'est-ce qu'on appelle kafara que Dieu fasse que ce que maladie que tu souffres là, ça soit en même temps pour la, la remission de tes péchés. Pour que Dieu efface tes péchés. C'est pourquoi quand nous arrivons pour saluer les malades, c'est ce qu'on a dit. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est pas bon. Hein? Il y avait un roi qui était avec euh, son garçon. Un jour, le roi avait un lion il avait un lion chez lui. Chaque temps, il s'amusait, il avait l'habitude de s'amuser avec euh, son lion. Un jour, vous savez, l'animal féroce, on ne s'amuse pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le lion s'est jeté sur lui, il a levé le doigt. Tout le monde venait saluer, il a levé le doigt. Tout le monde venait saluer le roi. On disait à son euh, servant que voilà ce qui est arrivé au roi. Le jeune servant dit quoi Tout ce que Dieu fait est bon. Quand lui a dit que, on l'a informé, il dit que tout ce que Dieu fait est bon. Lui, il a retourné dit au roi, dans les oreilles du roi, le roi a appris. Donc, ça m'est arrivé comme ça, tu dis que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas Il n'y a pas de problème. Prenez-le en prison. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Il était en prison. Un jour, le roi est sorti aller dans une forêt. Dans la forêt, les gens qui vivaient dans la forêt avaient des cérémonies, ils ont besoin d'un être humain. On va faire sacrifice humain. Dieu, pour faire les choses, on arrête le roi. Il dit que, oh, Alhamdulillah, le sacrifice aujourd'hui va réussir. On a eu quelqu'un. Ils sont là, ils ont commencé par faire les préparations pour, les préparatifs pour la cérémonie le chef des gens du forêt dit que attends, on va aller vérifier sur l'homme là. Parce que c'est cérémonie qu'on veut faire là, il ne faudra pas que ça rate. On vient voir que le roi a déjà manqué un doigt. Le chef des, euh, gens du forêt dit que non, celui-ci là, sans, sacrifice, ça ne peut pas. Parce qu'il y a manquement sur lui. Donc si on nous fait sacrifice avec lui, notre sacrifice ne serait pas réussi. Libérez-le. En rentrant lui-même, il s'est dit que eh, mon, prisonnier là, donc tout ce que Dieu fait est bon. <laughs> Il allait, <laughs> il allait libérer le prisonnier. Il dit que, du roi, pourquoi tu me libères Il dit que vraiment tout ce que Dieu fait est bon. Grâce à ce que mon doigt est sorti là, j'ai eu la, la vie sauve aujourd'hui. Sinon, sacrifice propre. Donc, frères en islam, nous sommes musulmans et nous devons avoir ça dans la foi. Dans la foi, la, foi compte six piliers. Le sixième pilier dit qu'en tout De croire à la prédestination touchant le bien ou le mal. Nous devons croire en cela. Il nous reste quelques minutes, nous allons terminer ce verset-là. Hein. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala interdit le prophète Mohammed de chasser ceux qui sont autour de lui. C'est pour cette raison les savants nous amènent le verset ici. Parce qu'à un moment donné, les mécréants de la Mecque ont demandé au prophète Mohammed s'il veut qu'ils vont lui suivre, donc ils vont se partager les jours. Un jour sur deux on vient prier ton Dieu un jour et l'autre jour on va aller te prier nous nos dieux. Est-ce que vous comprenez Allah subhanahu wa ta'ala a amené ce verset-là que in ashrakta la amaluka. Si tu avais associé Dieu quoi que ce soit, même un petit comme ça, tout ce que tu avais fait là, tu avais fait, tu devrais annuler. Tout devrait aller à zéro. Donc si tu avais accepté chasser ceux qui étaient autour de toi, tu allais tout gâter. Je devrais te mettre parmi les injustes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Après ah, notre, temps, notre problème est revenu encore ça. Ce que nous venons d'expliquer, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ainsi nous éprouvons les gens les uns par les autres. Dieu amène quelqu'un qui met à côté de toi, il te fatigue là. Lui, Dieu lui l'a mis celui-là pour t'éprouver avec. Comment tu vas agir J'ai pris les uns pour vous éprouver des autres. Tu ne pas hein, éprouver les autres. Moi, je t'appelle, viens, on va s'asseoir maintenant, c'est toi qui me ce que chasse sur le, tabouret. Modun me hein? Tout, tout le monde qui peut accepter ça. Même nos nous sommes. Même nos enfants même. Dieu dit qu'il nous a Allah même dit que l'argent même que je vous donne, c'est une tentation. Les enfants, c'est une tentation. Il y a un enfant. Des enfants, parmi des enfants, tu as mis au monde, c'est ça où ça se dit. Les autres, quand ils les regardent comme ça, ils comprennent ce que tu dis. Tu sors avant de rentrer, tout est dans l'ordre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir hein? Quand il regarde, il fait la tête comme ça. même éducation, Chez toi. Mais lui là, toi-même tu as peur de lui. Toi-même tu as peur de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est comme ça nous avons fait. Nous avons, nous avons mis les uns sur vous pour vous éprouver. Bado comme les bad. Pour vous éprouver par ça. Ah les coulous, ah Allah et manam Allah ou allez allez immeinina. Ah Allah qui? Ibinal et les esclaves que on avait sollicité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous, vous avez eu l'honneur, vous êtes grand, vous voyez que vous êtes des meilleurs que ceux-là qui sont autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala demande pour que vous dites que donc vous, vous êtes meilleurs que ceux-là qui sont autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أهذا الذي Allahu الله non? aywa aywa alaysa seul Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît ceux qui sont reconnaissants reconnaissants envers la grâce de Dieu combien sont reconnaissants envers Dieu Dieu oh nous sommes pauvres Dieu faut nous donner l'argent Dieu, si tu nous donnes l'argent, Inch'Allah, nous allons aider les pauvres. Nous allons aider l'école coranique. Nous allons aider les mosquées. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons. Voilà l'argent. Hein, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'un jour 105 francs est tombé là-bas Quand Moïse disait à Karoun, l'argent que Dieu t'a donné, euh, il faut être reconnaissant envers Dieu. il dit, il ce que Dieu t'a donné et préparer l'au-delà avec ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il a dit Oui, ça l'argent que tu vois, tu crois que c'est Dieu qui m'a donné. Allah ilm c'est ma connaissance qui m'a donné l'argent là. Oh, hey, l'homme là qui était venu demander fils à il a fait mariage nouvellement avec sa femme. Quelqu'un est venu s'arrêter au portail et dit Fils Abilillah, Lilaï wa Rasouli. Il a déjà déposé deux poulets pour manger. La femme a pris une partie du poulet pour aller donner les mendiants. Il dit Hey, tu vas où Il dit Non, il y a un mendiant là-bas. Dépose ça là-bas. C'est nous qui l'avons mis la pauvreté. Laisse-le s'arrêter là-bas. S'il est fatigué, il va partir. Les mendiants ont entendu. Il va s'arrêter encore, il s'est fatigué. Il a pris le chemin, il est parti. Celui qui achetait les poulets on mange. Maintenant, c'est poisson, on amène. Maintenant, on a arrêté d'amener poisson. Poisson, même on fait la sauce, il n'y a pas poisson dedans. L'argent commence pas à finir. L'argent est fini. Lui-même, il s'est regardé et dit que, ah, madame, où je suis, voilà, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas déposer l'enfant de quelqu'un pour faire souffrir. Toi, tu peux partir. Il a divorcé la femme, elle est partie. Il est resté seul pour pouvoir se nourrir. Seul même, il n'arrive pas à se nourrir. La femme s'est remariée. La première nuit du, nouvel, du, nouveau mariage de la dame, on a déposé des poulets. Donc la femme, elle a chance de poulet comme ça. Hein. Hein, si la première était là, il n'y avait pas poulet, celle-ci vient, alhamdulillah, les poulets vont vous pleuvoir chaque temps. Alors, la femme entend, on fait il lillahi, lillahi wa rasulihi. Et elle regarde son mari, et regarde le poulet. Parce qu'elle avait pris, on l'avait chauffé. Si je prends aujourd'hui aussi, on me chauffe. C'est là le mari dit que, hé, madame, il y a un mendiant là-bas, c'est deux poulets, prends un pour lui donner. Nous, on va manger un. Intérieurement, la femme dit, la femme dit Alhamdulillah. Maintenant, je suis tombé sur un bon mari. Elle a pris le poulet. Arrivée pour remettre le poulet au mendiant, elle commence par pleurer elle verse les larmes, le mari est assis, il s'est énervé. Il dit que voilà les femmes. On parle des femmes là, c'est ça. Deux poulets, on a deux poulets ici pour manger. Tu veux donner un poulet, à cause d'un poulet qui pleure Ah bah femme, pourquoi tu fais ça C'est là la femme dit que je ne pleure pas pour le poulet. Je pleure à cause de l'homme là. J'ai vu aujourd'hui quelque chose qui m'a étonné. L'homme en question qui, est en train de me demander aujourd'hui, c'était mon, ancien mari que un jour un mendiant est venu comme ça pour demander, je voulais lui donner à manger, il m'a chassé. C'est lui qui est en train de demander aujourd'hui. Ce qui me fait pleurer. L'homme dit, Madame, il faut essayer tes larmes. Ça c'est rien. Ça là, c'est rien. Le jour là, l'homme qu'il a renvoyé là, c'était moi nous L'homme qu'on avait renvoyé le jour-là, c'était moi. Il faut lui donner pour il va partir. Ah, oh oui, oh Il, ne peut plus parler à la femme. <laughs> il va prendre le poulet partir. C'est ça la vie. Elle est faite de haut et de bas. Nous connaissons aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Donc Allah nous met en garde ici. Faites beaucoup attention. Nous ne savons pas ce, que Dieu nous réserve demain. N'importe quoi Dieu t'a donné, quand tu, tu vas devant, reviens derrière. Essaie de calculer les choses. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Peut-être que ça va renseigner certaines choses. On va clôturer, Inch'Allah. Hmm. Ah, attends, Hebat pun dah serat Dede ayah watan dagal terima Roh Bangan ga visa Ndalle sode ala ben wata Ndalle sode ala ben wata Sowa ala nara halita Nga wa mona Bi moy umuna bilaga wala nada Bi yelinyan na zaman na kriya jona Wala nya ibem Wala nya ibem liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mala mi membes mda wumba won nyos ko badetma eh umbre kata be gon mal wonena bumbozi yu imane iyu imane bungon danyana bujo doni bu bujo kale bungu sala kare ama abega bije mama chuwa ko de konya bela nyala kare bis sorose de la kare se bis sorose no bu zuri imane ajaban li amri al mu'min sama machi na malwonne mama cigena wes ba woga biyuwi abige alheri woyige waza dukuro wonde kabage ladage angu bituwo yunege wongo suru ka podi cele suru kono kabage lada doge so wuru kono elada bide katare wombire kata suru kono wa elge bi mana nyona nyomal wonne mal wonne bawge suru kono wo elge be mana nya bumbo so ngob laga yuna riba cere sojo bi mɔnɔnyɛ bu jɔkɔzɔ ɛsɔ bi mɔnɔnyɛ bi dave bituwa mɔnɔnyɛ yungbɔ bi njanana buru suru kpɔnɔ jɔ cɛrɛ yuna riba suru kpɔnɔ jɔ suru kpɔnɔ la ka tare o bi sidi yuri tasa dama bi dana mun na walahu alam insha allah. Saya kira ngapa? Bukan mahu kisah nak kira. hadin muhammad sallallahu alaihi wasallam ina nana aisha radiyallahu anha satun kiba gaba se madina na madina da wasu wagle makanza kadabam changement de climat ba gaba se madina na ba wurin de nana aisha balaga wanya de sule ba wurin de ba tan tabla balaga wanya de nga wo gone wo mɛte nandi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ndi bobo unto andi sugo bo abla ndanja la yunwe ni suru kwane won bobo won jana ta talwana yana kudawa mana ne su buku sai da lakar amma bi andi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da lakar ngam sanasa ay kidaki mana yabla na bige ga sosu ko efezine de talwa ngudan fa to na rafa yi vena talwana bi andi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata da hadisi na karanda mallu wanne ba woni nga wonde no mbawda nga wana wo mbira kwata bu zomna so yege nga ki zoyge ku don wa manenge bitige lakar kuruge hal bu kon bu talaba so ya wo zonai na soro ro bi zoydo pikan an ɛhɛn bi zoy yu tele sasa ay so kesi problème no ga fizna de talwa bata labura fana soro kɔnɔ la ka taa insha allah donc amin Thank you.

yele wɔ kaban maa wuli yɛn kɔrɔsi. Ah oui, sommes solondés. La ma bao noa ne de question bos tout au bos na bao noa ne te. Eh sofu za la mericella. Umbinyo alfa nya gena ga so ma ala rasul illa al balagul mubin. Sofes bao de wombre. Baka ما يقال لك إلا وقد, وقد كيل من آه، للرسل من قبلك نترفي بلا سبحان الله تكما دم وتتأني بوا غبي ما بتلاجنا بلا برادنا ألفا سوف نسور بكا إنك قوات بانا دومي بقدر أجلس سورة النحل ذكر ذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة an yogutu ga nyogo yu woma baga yasa bane na badando yu bane alherin kuwa na mana badando yu bane safara bi de iman ande muhammad ina munafiku abo jona kuna awa dala wa zuru da roga suba cho bajona kuna wa zanjo bana ba de paiwa ama ba wura dala wasa se yo kuruna bondena ay bode ay ina wala yana to bi yelena zamana na kirna na tala tala so walu robi mona ga ani ma badam la kubane so fada be de zimbri eh wo muna ga sese ada jon to so de power ko chu chu chu chu chu bla bu farase ada andawira rayo munafiku wa ngu munafiki ke ga bangoyi yawge eh to ama rayo we ko mbako jona so wal subato maloma berke berke bo عندنا ساسا فرصة على الصورة الشروق فوز على مري الله أعلم إن شاء الله أروى لنا كتابين تولى كتابين نوقف جانبا أنه جانبا ونعمل بلغ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أروى لنا سبو كسني دي لاكار تشاري دي فيزي مودي ومبري ألوى كسني دي لاكار ميو فيزي دي ومبري دينا suru كون دس اما kalamu da kai ranar ko ta wuyu kupe asu mu suru dina dege ten wo das ab ga nyana ro di jinne ga de jade ba saw ngana nyal langay nyo nyo sen den ga nyaare na ba tele sinya garo ab ga nyoda nyaje mer ga mi bisuwe ajima ah, ale le de di jinde ja soju dum ba fu nyana le di jinde bin nga ndega so oh, ale alfa yusuf re da tele sa sila mbisi di jinde mele to ndana sala da naam bazolo bilana eh. eh, señan na sara tuma jankila do naburu jallino lorom lo bo no muto ya muto jam madama do na na rom bam bazo sulu ndi nyon sulu nyen jeli butu so fa la fi ngati ni ngati sulu nyen gori nyen jeli kango nyase e ga malwane e da malwane no e ga ro ga nyen ga ro na nyen sulu nyen jeli ga e ga sulu nyen jeli al ba da kai mal wani ba nya banya sai da kai mal wani wezu ga ga nyane a ah. wezu de be jaga nyalla yo bita kɛ tɔnu kan wombi wombi gɛ bila ka ɲɛ kɛ donc doye bɛɛ jɛ ŋa lam bila ɲaani ma bata hatta ma yahudu na e yahudu na ndibi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudu ba gazali wan zimle wala wan tan zimle men be gazali ben gade nana di muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gons ba tezin ga diba jon kurusam nga do sa gwa bakro bakro ah wa da na ga sa gwa mbaso ando bi se ngi to alda mama ji won ngi do su kuriye yahudu ga ni da mbara alamla ni da mbara alamla wasna wanda ga ni do su kurga ai bi da ke ila ida e tonu we zuwon bi sur kono wala ke o do su kurla ndana bibiyele na kala kete kete ale yani ndana guverema adu marana ge mara da nyen de do nyebe na oru nyaza dara ge accident wala na buru amma moto moto wa ni, ngenye jeze inde yes nyele en prison adu ba ba nyele en prison kazo adu ba ba nyele en prison ba ka ba ba nyese de kanya manai de lanai ayi yãna bilabʋra zɩka ab ne yãa manaarʋna y wɔrʋdɔ ntana anya bɩ walg wa bɩ ta tɔdɔ bɩ walgɛ ad n yãa mana naarʋna wɔrɔ yẽngɛ rʋgɛ ɛgɛ rʋgɛ yãngẽ wɔrɔ zɩka yã e mana ne bɔrɔ dɔk baanga bela yõ bɔrɔ ne yã yẽsna ntana e zala meru biyele na dɛdɛ a ina dini yusur na so yusur da burfai bi gaba na to esi mbazu tem ni dada nan dana sallama bujo kozo anya banya yi se leba gete du fili fili fili fili fili fili na bula muna lada iya lada iya amma wa alanya sallama nyambi zumbusi na wana karfai domin dalilin na karfai do yuki kaba ko wole da se duka gusuwa kala kama jamu gusu sila wala awala yanyamu eh ama suñu kala alfa suñu kala ngana bresto ñalla ngandal ngina ñaba ababa to su ko re diru ki do san kala na kala ko le ha ande bitala le eh? mase ala an dalay ala an da busiki ñaaɓi ñooyu problème a a ñogutiñage a guti ga ñaguɓano temena dabi yaña ñana belana a ah, belana a ah. domi daba tawa yuɓa wule sa sa toki soruk ɓono we gediri ande moussa na andebi haruna wediri firawuna jana wediri firawuna jana wadɔ sa abigɛ mi dala naamu fakula ɛ asalaamu ala mani tabi alihuda dana safga mi dala si suba jonno firawuna jonno dum badana na baro na baba to gun me firawuna de dun wi laga buzmana bade rab ga mi dalaga si so lawa sallama se so da la fe to bla tambata o baba bo bo siriya borose to baba bo hujja kam boko gona go jusqu'à présent andi muhammad sallallahu alaihi wasallam be dalay do iba to sese bakalawa rad ay bakalawa in kadana wage abdu wadana ya he nyane wala bakalawa rad to biyen la bogo judana na muna do do fokre de la karwa kada do so da duwon bibi ndana ade da zai su sai bakala warad kun wana na bar problem wa dai lido nyana السلام على من محمد الى ملك الحبش او ملك الروم او ملك الحبش او ملك كذا كذا يعني يلنا Thank you. bia ami bia sɛ sɔgɔ jo bala salama ma lɛlɛ dɔ bi dugu bia mɛ mɛ na bɛrɛ asaba ka so dɔ de dɛ bala ka de ha ke bia ban ba tɛna ba dɛ sɔsɛ yɛlɛ wa bala n'aw fɛ inshallah soro kɔni wa fuza la mariti la ɲaani han bugutoli soge assalamu alaikum sɔda lafiya tɔ la tamata yɔrɔ dɛ nana ala ɲɛnɛ tɛ ni ɲɛkubɔ ni kɛ tɛ ni n da sɔrɔ ala fɛn jeli halazi nyagwa yondo yondo mla yangne ehe ama nzulai assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ayege kanye de niya da inama al amal bin niyat ehe naga danga benardo asuru kona ila nyozi chilla ehe sofu zalami ثبتنا على الايمان امين وتوفنا مع الابرار امين يا ذا الجلال والاكرام امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وهم عزتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ولاة امورنا اللهم توفنا وانت راض عنا اللهم انا نسالك الشفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين